cet enseignement à la fin. L'honneur et la gloire te sera donné au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui, démarquez-vous, élevez-vous pour Jésus. Notre test de lecture se trouve dans le livre d'Esaïe, chapitre 6. Nous allons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Isaïe chapitre 6, nous en partie verset 9 jusqu'au verset 13. J'ai lu la parole de Dieu ensemble. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprend point de son cœur, ne se convertissent point et ne soit point guéri Je dis, jusqu'à quand, Seigneur Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'ait n'y ait personne dans la maison et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que les pays deviennent un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit Il dit alors, va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Souvenez-vous que nous parlons de démarquez-vous et levez-vous pour Jésus. Allons dans le message. Il est possible qu'une longue immersion dans un environnement particulier puisse influencer et façonner les croyants, les opinions le mode de vie d'une personne, là où les péchés et d'autres formes anomalies morales finissent par être acceptées comme la norme de ceux qui défendent l'aptitude inverse, ont aussi tendance à être influencés et même récupérés pour ceux qui s'accrochent au bien il leur faudra une forte volonté pour ne pas être réduits au silence ni conditionnés par les péchés sociaux dominants. Le prophète Isaïe a reçu la mission de nager à contre-courant les conditions sociales et spirituelles qui prévalaient de son, à son époque. Dieu a tracé le portrait des gens qui devaient toucher il était devenu complètement aveugle et insensible aux exigences de la justice de Dieu. Ils avaient tant de fois commis péché et de rébellion contre lui que celui devinait normal pour eux. Mais la résistance du peuple à son message ne pouvait ni contrarier, contrarier sa mission, ni l'empêcher de continuer à prophétiser la vérité pour sauver un petit reste. Nous sommes chargés de la même mission aujourd'hui. Compte tenu de la prépondérance du péché autour de nous, nous devons faire attention à ne pas être aspirés ni attirés. Malheureusement, certaines personnes se sont autrefois opposées au mal, puis ont été réduites au silence ou conquise par des choses qu'elle condamnait. Cela peut arriver si nous choisissons de ne pas continuer à défendre la justice. Nous pensons que nous, nous ne, pensons, pas que, quel que soit ce que nous faisons, Dieu est au courant. Tout ce qu'il soit inutile de prêcher la justice quand il semble évident que personne ne veut ni n'est pas prêt à écouter. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres qui sont prêts à vous entendre. Une flamme d'espoir jaillira, peu importe la gravité et la situation morale du mouvement. Prêchez l'évangile, allez en avant. Ouvrez votre bouche et parlez. Ephèse, faire entendre la voix de Dieu à toute la création. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, prions que la droiture domine nos pensées, nos styles de vie, à la fois en privé et même en public. Seigneur, donne-nous l'audace et l'onction pour manifester la droiture et être même, Seigneur, même euh, euh, reconnu pour cette œuvre que nous faisons, que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne serons pas des enfants de Dieu qui se cachent, qui ne peuvent pas être connus par le peuple. Seigneur, nous prions que Seigneur, pour ne pas s'égarer ni perdre de vue non notre vrai appel qui est de pratiquer et même de prêcher et même de proclamer la justice. Nous allons prêcher cette parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je demande, Seigneur, que tu nous donnes la restauration. La restauration, nous-mêmes et tous les ministres qui se sont éloignés de leur vocation, de leur appel divin originel qui revient à ton appel et travaille pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as Au nom de Jésus, Amen. Notre pensée du jour dit aujourd'hui que, que votre voix et votre vie s'insurgent contre le mal. Que votre voix et votre vie s'insurgent contre le mal. Notre lecture biblique aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Romains chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.